On a un partenaire qui est la Goutte d'eau, qui est un partenaire officiel d'action humanitaire. Euh, c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui à Rufisque pour euh, un don en denrées alimentaires pour les handicapés de Rufisque. Comme on est en crise sanitaire, les handicapés sont laissés en rade. C'est pourquoi on a initié ce projet pour les euh, venir en aide en denrées alimentaires. D'autant plus qu'en ce moment, avec cette période-là, comme tout le monde reste chez eux, ils n'ont pas aller commander. C'est pourquoi on est venu le soutenir euh, pour ces euh, denrées alimentaires. Euh, les denrées alimentaires sont composées d'un sac de riz de 50 kg, un sac oignon à 25 kg, 6 bouteilles d'eau de, de, javel, 2 kg de lait, une tablette d'œufs, 5 litres d'huile, euh, un pack de savon, briques, un paquet. Il y a des enveloppes pour le permettre de prendre un taxi et de mettre les dans là On a collecté 2 297 000, soit 3 500 euros de par la goutte d'eau, qui est un partenaire officiel de Action humanitaire Sénégal. Ces personnes vivant avec un handicap sont enclins à aller chercher leur puissance dans les rues. Maintenant, si on leur dote de ces kits alimentaires-là, euh, c'est-à-dire de riz, d'oignons, d'huile et tout, ça pourra leur permettre de rester à la maison tout en pouvant euh, nourrir correctement leur famille. kit bi dafa ñëw ci heure am ndax euh, nit ki boko ko nee euh, sa kër nga confiné ko war nga ko jox lu mu lu ko accompagner parce que warul tok ci këram rek di xolé war na ay doomam war na bopam ñi ngi saluer tamit euh geste bi ndax xam geste bi ñëw na ci heure Euh, ñi nga xam ne nag ñoo joxe don bi don bu am importance macha allah lii defe naa bi ñu nekk si association ba léegi ñu ngi koy doog am pour handicapé euh, femme handicapé moteur yi.